Ceci est l'amende quotidienne, version audio. Elle a tous changeant préparé pour notre croissance tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 octobre 2022 et nous considérons le thème quand la grâce est le dernier ou bien quand la grâce est rejetée. Nous allons prier. Père, face en toi, merci, je ne te remercie de glorifier en rendant gloire en toutes choses. Seigneur, merci pour ce matin, la grâce que tu nous as donnée, l'opportunité que tu nous as donnée d'être compté parmi les vivants. Et ta parole qui est le miroir, le miroir, le guide pour notre vie. Aide-nous à entendre qui est la nourriture spirituelle. Seigneur, garde-nous et conduis dans cette réception. Et donne le cœur à entendre et mettre en pratique, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui quand la grâce est le dernier ou bien quand la grâce est rejetée. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de 2e Roi, chapitre 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 23. 2e Roi, chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 23. Lisons la parole de Dieu ensemble. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toutes collines enlevées et tout, et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent les parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles il héritait l'Éternel. Il servit les idoles dont l'Éternel les avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir l'Éternel et Judas par tous ses prophètes et par tous les voyants et les dit, Revenez de vos mauvaises voies et observez les commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point et ils rendirent leur coup avec leur père qui avaient parcouru en l'éternel leur Dieu. Ils rejetèrent les lois, ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'ils leur avaient adressés. Ils allèrent auprès des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel les avait défendus d'amitié. Ils abandonneraient tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils firent de vos fonte et le fabriquaient des idoles d'Astarté, et ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal, et firent passer le feu leurs fils à leurs filles, et se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, enfin de l'héritier. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face, et n'est resté que le seul tribut de Juda. Juda même n'a pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et y avait suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël et les a habillés, les a humiliés il les a livrés contre les mains et les pieds des pillards. Et il les a finis par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et avait fait roi Jéroboam, fils de Nebat, qui les avait entourés de l'Éternel, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'était livré à tous les péchés que le Jéroboam avait commis et ne s'en détournait point, jusqu'à ce que l'Éternel eût cherché Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Amen. Notre verset clé se trouve dans le verset 14 qui dit Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur cou comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. souvenons nous que nous parlons de quand la grâce de Dieu est, le, est rejetée, ou bien est le dernier. Allons à le message. Les expériences de l'existence ont montré qu'il ne se trouve aucun privilège acquis dans la vie, ni aucune bonne situation atteinte qui ne puisse être perdue ou confisquée quand l'on commence à devenir négligent dans cette situation. Le passage considéré raconte comment les enfants d'Israël ont perdu leur position privilégiée auprès de Dieu. Aucune autre nation au monde n'a joui d'un tel privilège ou d'une telle position, mais ils ont abusé les promesses de Dieu faites à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Et ils ont abusé du privilège d'être l'objet du choix de Dieu en tant que nation. Probablement, ils pensaient que puisque Dieu avait fait une promesse d'alliance qu'Abraham, de le bénir aussi que de sa postérité. Pour toujours, ils profiteront toujours de cette promesse, peu importe ce qu'ils en feraient. Ils ont commis des atrocités abominables et ont suivi l'exemple des nations païennes qui les entouraient. Par conséquent, Dieu a dû porter un jugement sur eux. Il a envoyé le roi assyrien qui les conquit et les emporta vers les terres étrangères. Quiconque abuse de la grande opportunité que Dieu lui a donnée et abuse de sa grâce est sûr d'en subir des conséquences et n'existe rien qui semble à une assurance permanente et éternelle. Il en est faux de croire, comme certains le font, que fils d'un jour, fils pour toujours. Quelle que soit la manière dont on agit. Si nous ne voulons pas subir un rejet comme la maison d'Israël l'a subi, alors nous devons nous assurer que nous n'abusons pas de la grâce de Dieu. Il est vrai qu'il veut que nous soyons sauvés et qu'il a le pouvoir de nous conserver ce salut. Nous devons cependant réaliser que ce n'est qu'à la condition d'écouter sa voix et s'obéir à sa parole. Quiconque a vraiment reçu la grâce de Dieu vivra sûrement une vie qui plaira à Dieu. Plus encore, il y a des péchés secrets dans la vie de certaines personnes. Et ces péchés secrets peuvent aussi causer être un scandale public. Qu'est-ce qui vraiment constitue les péchés secrets les pécheurs, les enfants d'Israël, firent en secret quelque chose. Le verset 9. Des péchés qui sont connus de vous ou de quelqu'un seulement et de personnes d'autres. Il y a cela. Il y a certains péchants, les péchés qu'ils avaient causés, peut-être connus par certaines personnes et d'autres personnes et d'autres personnes, n'importe où. Des choses que l'homme peut déclarer comme innocentes, mais qui ne sont pas justes devant Dieu. On le voit dans Luc chapitre le verset 15. Et aussi dans le verset 9 et 12, on voit qu'il y a des idoles dans le cœur ou des choses que vous cherchez au-dedans de la volonté parfaite de Dieu, au-dessus de la volonté de Dieu parfaite de Dieu. Et même des choses que vous, euh, que, qui vous font considérer la volonté de Dieu comme même un secondaire. Vous avez votre propre volonté, vous faites ça d'abord avant de considérer la volonté de Dieu ça devient aussi un scandale pour vous. On peut aussi voir dans le verset 12, on voit des choses que vous savez être fausses, mais pour lesquelles vous cherchez des excuses pour ne pas en prendre la responsabilité. Dans Jacques chapitre 2, le verset 10, on voit là-bas aussi qu'il y a des mauvaises actions pour lesquelles vous convainquez votre esprit qu'elles ne sont pas si mauvaises ou même comment graves. Dans chapitre 22, 23, le verset 2, on voit aussi qu'il y a quoi Il y a des mauvaises choses que vous faites et justifiez sous le prétexte que la majorité les font. Vous dites, oh, les autres les font. Donc moi aussi, il n'y a pas de problème, je vais les faire. Dans Romains chapitre le verset 8, on voit aussi qu'il y a des mauvaises choses que vous vous, vous excusez sur les fondements qui sont utiles, bénéfiques et même glorifieront indirectement Dieu. Et alors, ils se lancent, ils font ces choses-là. Marc chapitre 9, le verset 4. Il y a aussi des mauvaises choses qui demeurent et sont entretenues dans le domaine de la pensée sans qu'elles se croient manifestes. Dans Marc chapitre 12, le verset 37, il y a, on, voit aussi là-bas qu'il y a des mots secrets, subtils et parfois innocents avec des mauvaises intentions ou même des, mauvaises, des mauvais motifs. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, on voit qu'il y a l'amusement ou la mondanité qui semble innocent, mais atteste le Saint-Esprit, ou qui ont soulevé une objection dans votre conscience la première fois que vous l'avez fait. On voit aussi dans 1 Jean chapitre le verset 8 et même 9, on voit des attitudes ou bien des habitudes ou des actions auquel vous vous êtes résigné euh, parce que vous avez fait de votre mieux pour vous en libérer sans succès. Alors, vous lâchez et vous continuez à faire ces choses-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que êtes-nous absous et acquis par le tribunal des péchés secrets Non. Quelle est la réponse de Dieu concernant les péchés secrets. Si dessus, on se trouve les conséquences de ce qui arrive aux gens qui se livrent à des péchés secrets sans repentance. Les gens qui se livrent aux péchés secrets sans repentance, voilà les conséquences. Premièrement, ils, ont, ils, ils ont provoqué la colère de l'Éternel. Dans le verset 11 et le verset 17b, quand quelqu'un est en colère, tout peut arriver. Vous savez cela Ils ont provoqué Dieu en colère. il l'air à peur des choses de néant, c'est-à-dire les, péchés secrets. Et ils ne furent eux-mêmes que néants devant Dieu et les hommes. Ça veut dire, c'est devenu un scandale, un scandale qui est révélé au, au public. Dans le verset 20, on voit le Seigneur les a humiliés et les a livrés entre les mains des pillards, c'est-à-dire les oppresseurs cruels. On voit ici qu'il a aussi fini par les chasser loin de sa face. Dieu les a chassés hors de sa face, dans une servitude et une captivité totale. La puissance de Dieu pour leur épargner la, la captivité et les oppressions morales, matérielles mental aussi formidable n'agira plus. Les pertes sont douloureuses. Les territoires, les relations et les ressources de joie et de force. Ce fut une perte inexprimable pour Israël d'être séparé de, de, Judas. Non, quand il y a une séparation, il y a aussi cela, les effets aussi peuvent amener quoi la séparation totale avec Dieu et même de ses des, saints et aussi est éternel. Nous pouvons se poser cette question. Est-ce que vous êtes en train de faire une expérience de l'un des jugements divins des derniers temps Vérifiez s'il y a des péchés secrets et ouvrez-vous à Dieu en pleine repentance et dans le jeûne. Et s'il n'y a pas de péché secret, alors maintenez-vous dans les loin de vos lieux. Car Satan vient dans le but de gâcher votre vie et de la rendre vaine. Souvenez-vous que leurs péchés secrets sont devenus un scandale révélé au ciel et finalement à la terre entière lorsque les conséquences se sont manifestées. Il n'y a pas de différence entre le péché secret et le péché public pour ceux qui relèvent des jugements divins. La récidive conduira toujours à des punitions plus sévères et plus graves. La seule option sage est la repentance. Que le Seigneur nous aide à se repentir s'il y a des péchés secrets, soit public au nom de Jésus. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui. Dans le regard pour encore la porte que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as pour nous, nous l'avons écouté. Aide-nous à l'obéir au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, sonde nos cœurs et relève tout péché secret que nous avons, ou nous avons abriter Si nous prions que Seigneur, tous nos péchés, pardonne-nous. Et toutes nos restitutions que nous devons faire, aide-nous à le faire au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, demandant ta délivrance. Cette délivrance, Seigneur, délivre-nous du péché. Délivre-nous de tout péché secret. Délivre-nous de tout péché public. Et délivre-nous de toutes les conséquences qui en sont. Seigneur, nous prions Seigneur tu nous aides, qu'il y ait un grand changement et qu'on le voit vivement dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions que le sang de Jésus qui coule sur tout l'or de la... Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix nous sanctifie et nous purifie de tout péché secret et public et conséquence de ces péchés au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur nous a parlé encore aujourd'hui. Et notre pensée du jour dit, si vous dédaignez, si vous dédaignez et méprisez la grâce de Dieu, vous serez corrigé et flagellé par lui. Si vous dédaignez et méprisez la grâce de Dieu, vous serez corrigé et flagellé par lui. La Bible en un an, c'est-à-dire la Bible, l'étude biblique, Isaïe chapitre 56 jusqu'au chapitre 60. Merci, que Dieu vous bénisse.